Je suis venu aujourd'hui représenter le directeur général, l'inspecteur euh, général de police de Bocariac, pour euh, marquer la fin de la clôture, la clôture de, la formation euh, des formateurs qui est dispensée par des experts commis par le partenariat opérationnel conjoint, qui est un partenaire avec les forces de sécurité au Sénégal. Cette formation, c'était sur les gestes techniques professionnels d'intervention. Donc, euh, des policiers, des douaniers, des gendarmes sénégalais ont été formés pour pouvoir dispenser des formations à leurs collègues afin de mieux maîtriser les techniques d'intervention lors des, à chaque fois qu'ils sont amenés à intervenir sur le terrain. Et ça, c'est en partenariat avec euh, l'EPOC qui est là, qui financé par l'Union européenne. Et ça tombe bien parce qu'en fait, cette cérémonie euh, coïncide avec euh, l'anniversaire de la déclaration Schuman qui marque la naissance de l'Union européenne. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, je suis venu euh, procéder à la, clôturer la cérémonie de la fin de la formation qui a été dispensée à l'ensemble de nos, de nos éléments. Monsieur le commissaire, on a noté que ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'agressions, même de Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'insécurité dans le pays euh, On ne peut pas parler d'insécurité. Hein. Je pense que les forces de défense, euh, de sécurité sont en train de, de, faire le travail. Il y a un maillage territorial qui est en train d'être fait et qui est poursuivi. Parce que si vous regardez les statistiques que nous publions d'ailleurs chaque année, tous les mois, par le, canal du BRP et chaque année, euh, vous verrez qu'il euh, y a une, euh, en tout cas une lutte contre l'insécurité. Ce n'est pas une insécurité, c'est peut-être un sentiment, mais les forces de sécurité, notamment la police, est présente et fait de son mieux pour que les populations se sentent encore plus en sécurité. Par rapport à ce qui s'est passé hier, par exemple, avec l'assassinat de l'étudiante... Euh, non, attendez, s'il vous plaît, monsieur Voilà, par rapport à euh, l'assassinat de l'étudiante congolaise hier, euh, où en, est, la police par rapport à l'enquête, déjà Parce que là, celui qui, qui, a procédé, en tout cas qui a commis l'infraction, a été appréhendé. L'enquête suit son cours. Comme partenariat, POC, partenariat opérationnel conjoint, L'Union européenne m'a moo ko pour financé pour euh, jàppale Sénégal ci euh, euh, formation suñu éléments yi nga qui Nous ñoom def intervention donc pour ñu maîtriser les techniques nous la maîtriser nit techniques te doo ko voilà donc loolu moo la formation nous avons clôturé. clôturer donc ma représenter directeur général l'inspecteur général de police Seydou Bokar pour nous clôturer cette euh, cette formation. Nous avons aussi ñu inauguré une salle benn salle de de formation ak ak le le dojo Alors, ah, loolu dafay rek euh, en tout cas excellence ou coopération entre le Sénégal et l'Union européenne. Nous coïncider aussi avec euh, voilà quinzaine de de l'Europe bi marqué la en tout cas l'anniversaire de de l'Europe

ak ay patrouilles, ak ay rondes, ak euh, des ak des opérations je pense que suñu taxawaay euh, ñëpp gis nañ ko te dañ koy yokk et puis yokkaat ko aussi ci ay commissariat de police ak ay postes de police yu ñuy créé donc pour que rek euh, sénégalais yëpp voilà sentir nii ñoom mën nañ dox seen i soxla saa yu ñu ko bëggee ak fu ko bëggee maintenant li am ki nga xam ni dañ ko faat aussi yàlla def na bi ñu ko faatee ki nga xam ne moo ko def jàpp nañ ko donc enquête bi mi ngi mi ngi ñu ngi ci enquête bi donc pareegul mu ne su leen wax lu bari.